ñu jëlee ko si li nga xam ne moo statut général affecté ko foofu si New Delhi def ko li nga xam ne moo nekk attaché militaire. waaw xam nga ci domaine militaire dafa am yoo xam ni. Mhm. ko wax mais euh, le président de la république. oui bépp décision bu mu jël. Mhm. c'est sur la base de renseignements. Mm. clairs et précises. et selon sa confiance. Mm. C'est le chef suprême des armées, je le rappelle aussi il nomme également aux fonctions militaires. C'est vrai. amul général du concours. Hmm. c'est le président qui nomme au grade de général. c'est vrai le grade le plus élevé de l'armée. kon kooku mooy disposer de la force armée. Hmm. le président de la république. il faut que aussi nit ñi xam bon Diomaye miin nañ ko mais c'est le président de la république maintenant. Hmm. bu defee décret décret bi day appliqué wu. si tu veux tu peux. Euh, contester le décret devant la Cour suprême dans les deux mois. Oui. Loi Molokamei. Oui. Mais son décret, il est applicable. Est-ce que c'est la première fois euh, peut-être Non, non euh, Maki a, nommé un général ambassadeur. Ça n'a mais Jean-Baptiste Tine Je me, je mu contesté non le fait que général de l'armée moui conteste li nga aussi. bon contestation oui il nous est revenu comme homme de Foucault que c'est une certaine presse qui l'a fait véhiculer. C'est pour ça qu'ils sont convoqués à la DIC et Mais Il n'y a pas aussi de fumer sans feu qu'il est dort. Oui, mais il faut pouvoir attester lu sans feu C'est mm. le général qui conteste un décret non c'est un commis de l'État comme un civil serait un commis de l'État donc une certaine presse mon blanc attribué police. Et ceux qui disent que euh, c'est de l'humiliation pour, pour, le général. Non, c'est ce qu'ils disent Oui. Euh, c'est de la rumeur. Les am le régime bi mhm. dafa bari les opposants. Mhm. Je le rappelle tout le temps. Les plus nous def mhm. danañ critiquer dana am ñu critiquer. Il y aura beaucoup de manipulation, il y aura beaucoup de médisance parce que ñi deux mois qu'est-ce que c'est, qu'est-ce lañ fi def. Donc ceux qui parlent d'humiliation pourquoi avoir dara hmm. ils n'ont rien dit. Alain général hmm. ils n'ont rien dit mais mais quand même c'est un changement de régime le président il nomme les personnes en qui il a confiance il nomme qui il veut. Hmm. sous réserve de respecter les critères parce que moi il ne peut pas me nommer chef d'état-major. C'est vrai. Mais il peut nommer n'importe quel officier, n'importe quel général, Boumou chef d'état-major. Hmm. Dans cette nomination, il faut euh, respecter les échelles et la hiérarchie. Hmm. Parce que promotion euh, général Kandé, vous sait nous demain. nous ndax bàyyi na gannaaw faire. Nous ni ñoo ko ancien hmm. dans le grade ñu jéggi ñoo ñëpp fal ko des loolu Uh-huh. donc bëgguma de ci affaire armée y na une force spéciale. waaw après ñu détachons. ko. mu dellu nous waat ñu avons ko encore force spéciale. qui lui a donné ça. ça mm. mm. donc Diomaye su N'est que le nouveau président de la République mais à ce poste là chef de l'armée de terre il met son homme de confiance les gens sont médisants lu nek lañuy raconter. Nan way woy ba mu demee Casamance mo len sonaloon moo nous ñu kii non c'est pas tout ça. Oui. C'est parce que il y a des choses yo xamni ni kenn mënu ko wax ci plateau mm. parce que Sénégal dëkk la bo xamni dañu wara ci stabilité mm. waaw c'est pour des raisons de stabilité Motax président wara a ku mu mm-hmm. à la tête de de de l'armée de terre. Mm. comme à la tête de toutes les armées ça va changer. Déjà, il a nommé euh, le colonel euh, oui. général. Oui. Et ça, tout le monde l'attendait. Oui. Bon, il va mettre ses hommes de confiance. La police aussi a un directeur Boubès. Ouais, mais pourquoi armée un général Boubès Mais peut-être euh, Mais c'est la gendarmerie, qui gendarmerie. Pose problème en fait. New Delhi a plus un, a tu un général. Oui. Un général euh, il est à la disposition de l'État. Oui. Bon, c'est l'État qui décide. Les mom euh ken dégg ko mu wax. bind. Mm. mais ñi nga xamni ñoo bind di mm. et les convocations yi nga def mais c'est parce que li bind nekkul plus grave. Mm. que le général il est fâché il n'est pas content. Et la troupe est, est, est, est, dans la même humeur. La troupe aussi n'est pas contente. Pour résumer, grosso modo, quoi, sans l'ignorant. le général est content nous, ni Andak content Comme s'il y a un problème en leur sein. Alors que c'est une nomination. Jean-Baptiste Tine. Hum. bi ko Macky di il ñaata à moo pour me retraiter. deux mois deux mois. il l'a fait quand même alors président dal nañ ko bàyyi prérogative ñi si des yëpp ay tentative de déstabilisation parce que on n'est pas à un changement de régime mais on est à un changement de système c'est tout un système depuis les indépendances ba qui sont qui s'est écroulé mm. ay tubaab ñu ngi suñu biir administration ça tu le savais à la présidence, on savait que Macky Sall. Euh, ils sont, ils sont, ils sont au Cospetrogaz, ils sont, ils sont à la Chambre des mines, ils sont partout. Ils sont à la direction de l'environnement. Ils étaient, parce que la, dame là a été relevée par a remplacée par M. C'était une Française. Il y a des Sénégalais aussi qui occupent euh, des postes de <laughs> responsabilité en France aussi. Non, je parle du gouvernement. non, c'est-à-dire, domaine de souveraineté. Mhm orientation stratégique en matière de pétrole et de gaz. Toi, tu vas prendre tes, collègues de l'Institut français du pétrole, tu les mets là-bas. Mm. Ils vont défendre les intérêts du Sénégal mm. en matière de stratégie. Je ne pense pas. Mais il faut suivre la position du, vice-président de, la Chambre des mines du Sénégal, M. Mm. Delanoï. Lui, mon Mawara, n'est intermédiaire entre État et société minière. Moi, moo a à stabiliser les contrats ils roulent pour eux et ils sont dans notre système Comme pour revenir à la question. oui Clédor. est nga euh, tout ça c'est un c'est un faux débat. Mm. parce que vous ngeen ñu naan euh, eh, ceeb bi yokk na ceeb bi mm. xar xar mm. deux mois wax naa fii n'ont pas encore de budget budget en cours bi lañ fi mais c'était aussi leur promesse de campagne est d'or. Euh, promesse de campagne oui. oui waaw mais loolu mais du du loo xam ne da nga dans dans deux mois. Hum. le carburant a augmenté de 100 francs. Hum. ci temps wu Macky Sall loolu musul am. Hum. mais quoi, c'est un problème à régler. le courant bëgguma ci avancer mais il y a un crime même ci wàllu politique énergétique bi fi baye, bi fi samp. mais courant bi moom Clédor dafa yokk. dafa yokk bu baax sax mais Yoko bi de belle nécessité c'est c'est c'est de façon très mafieuse. comment ça. non ça je vais je wax la la semaine passée on a ni Oui, mais parce qu'on est dans les assises aussi. ok chaque jour damay dem Diamniadio 17h30 18h. dinañ ak 20h. oui donc qui se passe après les Sénégalais verront. Mhm. les Sénégalais verront que y a des suçons ici on on on nous pressurise dañuy nal ba ñu mais c'est c'est c'est c'est c'est incroyable donc yooyu yëpp mu ngi fi hmm. euh, ce régime là daal lu mu mënti def y a une certaine presse xam nga y avait un pouvoir de presse xam nga pouvoir u Macky Sall ñëpp xam nañu presse yi leen favorable soxlawul ma ciy tudd les télévisions qui leur sont favorables xam nañ leen les tabloïds qui leur sont favorables xam nañ leen hmm ils ont créé beaucoup de journaux ils ont financé beaucoup de journaux il y a des journaux qui sont même qu'en ligne mais ils ont ba ñu revue de presse finalement est-ce que ce n'est pas aussi la presse Qui est parents pauvres pauvre de la République parce qu'on avait vu avec Macky Sall ñu avons convoqué les journalistes ba ñi au pouvoir. Ah, mais ñi avons fait euh, deux mois on a vu aussi des journalistes. qui ont été convoqués Les d'or Les journalistes waaw yow nga général Kandé dafa mer. waaw contester le décret de Macky Sall da koy attaquer. oui attends. oui que même la troupe dañoo mer. Mm. alors que général Kandé gisaguñu été mm. dégguñ ko mu wax. Mm. alors les yow journaliste t'as pas commis une faute parce que ça concerne la sûreté de l'État ça mais ñun am ça c'est l'armée mais ñun suñu biir ñun tamit am neen suñu ay euh, ni ñu koy waxee sax suñu tribunal non leen am seen tribunal non attends attends attends xam nga y a le combat pour la dépénalisation des délits de presse des délits de presse mais CORED c'est bien commode mm. yéen ngeen def lu leen neex dem ci dem dem dem CORED ñu yedd l'en après mu jeex mm. kooku mais dafa am ay ay ay sanctions yoo xam ça va jusqu'au pénal quand on parle de dépénalisation côté pénal hmm. du quand tu donnes une information hmm. qui est manifestement manœuvrière et émanant d'un patron de presse qui est manifestement contre ce régime qui ne peut même pas parler doucement nous savons que ses intérêts sont menacés. vous parlez de parce que le foncier là. oui. le foncier là. oui. Euh, ça, touche beaucoup de gens. Hein. on va en venir. Tu as vu, euh, <laughs> il a dû avouer que c'est des terrains de l'aéroport qui vendaient, le, milliard le, milliard 200 là. Donc, il y a tout un système mhm. qui voit ses intérêts menacés. C'est une question de survie pour eux. Et ils n'ont jamais pensé que ces jeunes arriveraient au pouvoir. Mhm. Parce qu'on leur avait assuré que Pasteur que lu ci ñoom kenn du mhm. aussi on leur avait assuré que l'élection est confisquée. Amadou Badaï a gagné premier tour. Ça avait même démoralisé beaucoup de, gens du, du, du, du, Mais, il y a des gens qui ne Mais moi, moi, moi, je suis au Sénégal. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, il s'en trouvera toujours des gens pour tirer sur ce régime. C'est pourquoi nous devons faire vite dans ces réformes et je crois qu'ils y sont. Bonopi, nous 7 faire cette dans l'appareil d'État, dans les, dans, dans, dans les postes clés. Nous fait, nous ils ont le sens de l'intérêt général. Ils ont le respect du bien public. Mais quel est Parce que le respect du bien public, bon. Oui, quel est Moi, le problème au Sénégal, en fait, les détournements, les détournements d'objectifs, euh, les faux, les faux actes qu'on pour donner des terrains à gauche, à droite, et les gens hypothèquent ça pour lever des milliards. Yo, il a arrêté net mais Clédor euh, dama bëgg ñu taxaw un tout petit peu ci arrestation euh, journalistes mm. parce que am na ñu bëri jàpp ne carrément euh, dictature rampante moo fi bëgg am fii Sénégal ku mel ni comme suñu doyen Babacar Fall sax moom nee Ousmane Sonko day nekk du jouer ci li nga xam ne nekk aux apprentis dictateurs non la ko waxee cette ces convocations est-ce que ñoom logique bi nga xam pour ne pas dire c'est élan bi nga xam nek neen ko est-ce que tamit lolou du yak li nga xam mo sen sen seen pour ne pas dire euh, sen rapport avec la presse aussi d'or Ousmane Sonko moo convoqué presse bi Ousmane Sonko. wa ndax parlé de Ousmane Sonko. Euh, ndax mo convoqué. Euh, presse bi waaw journaliste man dama la renvoyer rek les propos qui ont été tenus. c'est des propos. oui malveillants. oui et et et et et malveillants. parce que du premier ministre Ousmane Sonko mooy instrumentaliser dit pour mu journalistes. présidence chaque semaine. se tient le conseil de sécurité. Mhm. armée de fay gendarmerie de fay police de fay corps de sécurité yu mhm. service de renseignement yi dañ fay mhm. les spécialistes de la défense et de la sécurité aussi qui ne sont même pas dans l'armée des conseillers dañ fay c'est vrai vous c'est une salle où on prend toutes les décisions qui ont trait à la sécurité armée le tax ñu tuddee ko la grande miette, parce que beaucoup de choses. une certaine presse de concert fait ba là, une petite revue de presse une général Kandé il va attaquer le décret. Mm. général Kandé il n'est pas content la troupe ils ne sont pas contents donc ça veut dire qu'il y aurait une vague de mécontentement au cœur de l'armée. C'est vrai Boko bolé avec les renseignements que tu as toi au niveau de la présidence mm. da parce qu'il y a des renseignements qu'on ne peut pas dire maintenant. c'est vrai y a pas de fumée sans feu me disais-tu non. oui il y a pas de fumée sans feu il y a pas de fumée sans feu aussi hein. donc donc euh, euh, peut-être qu'on ne le saura jamais. oui mais entre acteurs. Mm. Euh, on est en train de prendre des mesures conservatoires. Mm. tu es le président de la République c'est le citoyen le plus informé du Sénégal. Mm. si j'étais irresponsable un peu. qu'on mm-hmm. me dem beaucoup plus loin petit dossier ah parce que ça concerne la stabilité du Sénégal. Mm-hmm, ce président de la République. Mm. nga un dossier Mais c'est souvent l'arbre qui cache la forêt. Comme les mortiers d'Orgueil, c'est l'arbre qui cache la forêt. Derrière, il y a une forêt mais lii c'est c' est c' qui cache la forêt. venons-en si euh, dossier Doro Gueye bi CREDOR parce que sànq ba tey yaa ngi koy euh, brosser te mu